Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, sur la Salafada, l'artiste s'exprime. Tous Salafada, une production du studio Kalangou de la Fondation Hirondelle. Diffusée sur 46 radios partenaires les samedis à partir de 17h45 la version franco-aoussa. Et les dimanches, même heure, même fréquence. C'est la version qui change. Franco-Zarma. Une rubrique sur cette émission qui donne la possibilité à l'artiste de s'exprimer. Nous avons en moult reprises reçu sur cette émission des artistes, comédiens, peintres, chanteurs, rappeurs, musiciens, cinéastes. Aujourd'hui, sur cette rubrique, nous allons réunir toutes les conditions qu'il faut pour permettre à un autre artiste, cinéaste, comédien, influenceur, activiste sur les réseaux sociaux de s'exprimer. Ladies and gentlemen, recevez sur cette émission Yous la sagesse, je te souhaite la bienvenue, comment tu vas Je vais bien, ben, Tu n'es plus à présenter, en tout cas tu es connu de tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, Facebook, on te connaît très bien. Mais les jeunes qui kiffent cette émission à travers, bien évidemment, le site du studio Kalangu, les jeunes qui kiffent cette émission à travers les 40 radios partenaires du studio Kalangu, Yous la sagesse. Parlons de toi. À l'état civil. À l'état civil, comment est-ce qu'on t'appelle à l'état civil, je réponds au nom de Youssouf Mohamed Magaji. Youssouf Mohamed Magaji. Oui. Ok. Artistiquement parlant, tu as commencé avec quoi Parce qu'on euh, va parler de ta carrière. Exactement, exactement. Donc, euh, artistiquement, j'ai commencé euh, avec le cinéma. Ok. J'étais comédien. avant d'être cinéaste, qui, bon, quand on dit cinéaste, on parle de quelqu'un qui touche un peu à tout dans le cinéma. Donc là, actuellement, je suis vidéaste, je suis comédien, je suis euh, metteur en scène. Euh, je suis euh, entre griffe web influenceur. Tu peux me dire quand est-ce que tu as commencé le cinéma donc, le cinéma, j'ai commencé le cinéma, bon, officiellement, j'ai commencé en 2016. 2016, il y a cela 5 euh, ans. Oui, il y a cela 5 ans que j'ai officiellement. Mais avant, je faisais des, petits trucs, mais bon, c'était pas trop professionnel, c'était pas trop euh, officiel. Mais officiellement, je suis rentré dans le cinéma en 2016. Qu'est-ce qui t'a incité ou qu'est-ce qui t'a influencé Parce qu'aujourd'hui, tu es un influenceur sur les réseaux sociaux à travers, bien évidemment, tes punchlines. Des fois, tu taquines, euh, n'est-ce pas, la créature sacrée, entre autres, la femme. <laughs> Alors, qu'est-ce qui t'a amené dans le cinéma Dis-moi, qu'est-ce qui t'a influencé, toi Ok. Euh, bon, en fait, pour le cinéma, j'avais euh, j'avais cette passion depuis que j'étais euh, depuis mon bas âge. Parce que j'ai eu à participer à l'école, au, au, sketch, au, théâtre d'école, tout ça. Donc, ça m'a vraiment motivé à, me lancer, à, être plus quoi. Donc, peut-être après mon après mon baccalauréat, je me suis décidé de, de, mettre un pied dans le cinéma et voir comment ça, ça va donner. Et vraiment, Dieu merci, là, je suis, euh, je suis, si on peut le dire, satisfait. Satisfait Oui. Super. Alors, 2016, donc euh, tu as commencé. Oui. 2017. Oui. On va parler de tout ça dans un deuxième angle. Ok. Juste la sagesse. Il faut dire par là aussi que tu es influenceur. Oui. Tu es sur les réseaux sociaux. À l'instant, on était avec toi sur l'émission Tous à la D'ailleurs, on va continuer avec toi sur cette émission. Oui. C'est une grande chance d'avoir l'artiste sur l'émission. C'est une, grande chance. Alors, comment se passent les choses sur les réseaux sociaux euh, Bon, sur les réseaux sociaux aussi, euh, c'est un truc. Au début, c'était je faisais des, petites publications par passion, souvent des petites idées qui me passent par la tête et puis je balance. Donc au fil du temps, j'ai commencé à avoir euh, une audience qui, aimait bien ce que je fais parce que je faisais un peu... Aimé par les femmes, en appelons les choses comme ça. <laughs> Exactement. Parce que euh, le plus souvent, je suis centré sur, sur, les femmes, sur les problèmes des femmes et mhm. tout. C'est vrai que souvent, je taquine un peu, mais dans ces, dans cette taquineries, je mets un peu euh, souvent de, vérité pour un peu attirer l'attention des gens. Mhm. Et je pense que c'est choses-là qui ont fait de moi le web influenceur, si on peut le dire. Et eh, tes publications nous manquent. Hein? Ouais. Non, vraiment parce que... Depuis un certain temps. Depuis un certain temps. Bien sûr, t'es pas connecté. Je suis pas connecté parce que là, euh, aujourd'hui, je suis... Euh, disons que les réseaux sociaux font partie, euh, ont une partie intégrante de ma vie. Parce que depuis que la, connexion a été coupée, sérieusement, je ne me sens pas. Parce que mhm. souvent, je suis là, assis, et puis je me demande qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire mhm. Et s'il y avait la connexion, je ne vais pas manquer de quoi faire parce que j'ai toujours des idées à, à partager avec euh, mon audience. Mhm. Et après, une petite anecdote, après le, trois jours après la restriction de l'Internet, mhm. j'ai, je suis euh, allé chez un ami où j'ai eu à me connecter sur son Wi-Fi. Et là, je voulais faire un tour sur mes pages, euh, notamment sur Facebook. Et je vois des gens de l'extérieur de, la diaspora mhm. et, d'autres pays. Qui disent que les postes de Youssef les, les, <laughs> manquent et tout ça. Mais moi, tu pas cette euh, possibilité. Sérieusement, ça m'a mhm. beaucoup touché parce que je me dis que, ah, vu qu'il y a des gens déjà euh, qui sont permanents, mhm. qui me suivent et à qui je, donne de, le sourire, vraiment, c'est réconfortant et. Je, compte vraiment continuer dans ce thème-là. On te souhaite en tout cas bon vent, mon frère. Ok, d'accord, on va parler un peu aussi de la comédie la comédie au Nice parce que nous avons reçu à moult des artistes comédiens sur cette émission. Tu fais quel genre de comédie toi One man show ou comment est-ce que tu fais ta comédie euh, Sur les réseaux sociaux, explique-nous un tout petit peu, les jeunes ont envie de savoir. Euh, je ne saurais pas comment trop appeler ça parce que moi je fais de, de, la web comédie en texte. ok Je fais pas des de, de trucs, euh, des lives, des ah, one man tout euh, tout est dans l'écriture. Tout est dans l'écriture. Mais en cinéma, on appelle des acteurs des, comédiens. Ok. ça, c'est l'appellation cinématographique. On les mhm. appelle des comédiens parce qu'un comédien, il est appelé à, reproduire ou à, imiter un personnage ou à s'intégrer dans le corps d'un personnage pour mhm. euh, valoriser ou bien pour représenter un, personnage. Bien sûr. Nous sommes à la fin donc du premier Angelus, la sagesse, et j'espère que les jeunes se sont déjà retrouvés à travers quelques flots venant de toi. Ils savent maintenant qui tu es véritablement. Exactement. C'était donc l'émission, euh, la version euh, franco-aoussa, euh, n'est-ce pas Nous allons donc nous retrouver demain, Inch'Allah, dimanche dimanche euh, pour donc euh, parler de ta carrière, du cinéma au Niger, de la comédie et tout ce qui va avec, de comment est-ce que tu as grimpé, euh, n'est-ce pas, parce que tu es un soldat sac à dos, comme on dit. c'est clair. Miss Yuba et de l'autre côté, n'est-ce pas, eh, yo yo, Farhan, finish le premier angle. On se prend donc dans un instant, mesdames et messieurs, sur l'émission Tous à la Fada, la rime, la miss, rime, va continuer ce qu'elle a commencé. C'était Yus, la sagesse et la machine. Hey. Avec le point son d'affaires. <laughs>